De bonjour, il est 11h à Niamey, c'est l'heure de l'émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, c'est le duo Rabia Mekano et Mariam Adé. Comment vas-tu, partenaire Ça va bien, bébé, et toi Ça va, Alhamdulillah. Alors, euh, partons du quoi matin Comme d'habitude, Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'informations pour commencer. Et dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons environnement. Et pour l'écho de région, nous irons à Tillabéri, précisément à Terra. Dans la partie invitée de ce matin, nous suivrons ensemble un entretien avec Dr Ousmane Mahamad Laminou, pédiatre au centre de santé mère et enfant de Maradi. Il nous explique comment réussir le sévrage d'un enfant. Et juste avant de se quitter, nous aurons le loti, une spécialité de l'équipe femme du studio Kalangu. Tout au long de cette édition, nous serons accompagnés à la technique par Kader Piano et à l'édition par Moussa Hassan. Chers auditeurs et auditrices, pour débuter, suivons le flash d'information avec euh, Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour, Rafika. Bonjour Rabi. Alors pour ce matin, les autorités de la capitale décident de rapatrier tous les mendiants dans leurs villages respectifs. Face à l'ampleur de la mendicité à Niamey, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Assouman Harouna a annoncé dans un point de presse avoir décidé à partir d'hier de rapatrier tous les mendiants dans les villages, dans leurs villages respectifs. Des instructions fermes ont été données aux services de la gendarmerie et de la police qui sont sur les axes routiers pour empêcher leur retour dans la capitale, a précisé le général. Mais il a souligné que si d'aventure, après avoir été acheminés dans leur village, ils revenaient, ils seront envoyés travailler obligatoirement dans des travaux de grande irrigation qui s'étendent de Kandaji ouest à Difa Est. En présence de plusieurs personnalités et acteurs du secteur éducatif, la ministre en charge de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a officiellement réceptionné lundi au CEG Calais Plateau 40 salles de classe construites à matériaux définitifs. Les écoles bénéficiaires sont situées dans des quartiers périphériques de la capitale. Ces nouvelles salles remplaceront les anciennes classes en paillotte, offrant ainsi un environnement d'apprentissage plus sûr et plus propice à la qualité de l'enseignement. Ce projet, initié par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, marque une avancée significative dans la modernisation des infrastructures scolaires au Niger. Le 28 juin 2024, pour rappel, le gouvernement du Niger, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne et l'UNICEF, a lancé une campagne nationale déterminante pour l'enregistrement de l'état civil. Cette opération ambitieuse vise à enregistrer les naissances de plus d'un million d'enfants de moins de 5 ans d'ici la fin de l'année. Pour, pour une amélioration continue et pour renforcer encore le système d'enregistrement des naissances Plusieurs initiatives sont en cours dans la mise en place de nouveaux outils technologiques, l'amélioration des centres de déclaration et la poursuite des campagnes de sensibilisation au programme. Pour maximiser l'impact de la campagne, 20 communes réparties dans les régions de Dosso, Maradi, Tawa et Zender ont été ciblées. Avec cette campagne, le Niger s'engage à garantir à chaque citoyen le bénéfice de bénéficier de ses droits essentiels dès la naissance. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci bien, Rafika, Bonne journée à toi. Cher auditeur, comme annoncé, dans quelques instants, nous suivrons nous en saurons plus sur le processus du sevrage ou de la diversification de l'alimentation de l'enfant après un allaitement exclusif de six mois. Et ça sera avec docteur Ousmane Mahaman Laminou, pédiatre que nous avons rencontré au Centre de santé mère et enfant de Maradi. Mais avant Maria, un premier tour en musique avec l'artiste Philo Ladiva il nous chante le titre Niger. Si Si le Niger est Kasata albarka, Ohé, ohé, ohé Ohé, oh hey, oh ohé, ohé, ohé Une belle terre avec un joli désert Je suis fière de toi mon Niger Toi qui ne ressemble à aucune autre terre Sous d'égalité d'intégrité Nigériens nous devons travailler Nous sacrifier pour construire ce beau pays je t'invite à te lever et viens chanter avec moi cette belle mélodie. Si le Niger est une belle tardi, Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé Si t'es Nigérien que t'es tardi, ohé, Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé oh ohé, oh ohé, Kasata al Ohé, ohé, ohé, ohé, Niger, Kenny, Kemawaka, waka Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé rayuwa kasa ta dalci kasa da babu bambanci ke nike mawaka ke da baki da kama nijar ta kwanciyar hankali babu ina da bashin sunanki sai da nijar hatin balotadi ohe ohe ohe ohe ohe c'est ta Nigérien que t'es fier ohe, ohé ohé ohé ohé kasa ta albert معجونة Let us come together Déjà beau de wakir maté à fond pour rendre ce pays plus beau And Niger wakamajuna Let us come together Déjà beau de wakir maté à fond pour rendre ce pays plus beau oh. Niger que vous venez d'écouter est écrit et enregistré par Akosiwo Philomène Gabriel, connu sous le nom de Philo la Diva ou encore Philo la Voix d'Or. En effet, Rabi, en 2018, elle remporte le concours des chants karaoké. L'année suivante aussi, elle remporte encore un autre concours. En 2014, elle participe au projet Muriel Niger de l'opération téléphonique RTL Niger qui a regroupé plusieurs artistes nigériens par la réalisation du titre Unité. Poursuivons cette édition avec la rubrique Entretien du jour. En effet, le sevrage ou la diversification est une étape importante dans la vie d'un enfant. Selon Dr Ousmane Mahaman Laminou, pédiatre au Centre de santé mère et enfant du Maradi, c'est une étape qui mérite une attention particulière pour garantir la bonne croissance et le bien-être de l'enfant. On l'écoute. Le sevrage, il veut dire l'introduction de tout autre aliment autre que le lait maternel ça veut dire qu'un enfant, à la naissance, doit, ne doit recevoir uniquement que du lait maternel. Et là, jusqu'à 6 mois. Voilà ce qu'on appelle allaitement maternel exclusif. Maintenant, au-delà des 6 mois, le lait maternel n'est plus suffisant pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments pour l'enfant. pour Donc, pour ce faire, il faut lui ajouter d'autres aliments qui sont parfois liquides, solides. C'est ce qu'on appelle la diversification et c'est le même terme que le sevrage. Et quelles sont les étapes à respecter pour réussir euh, son sevrage Pour euh, d'abord réussir euh, ce sevrage, un enfant qui a été bien nourri au sein, à allaitement jusqu'à 6 mois, à partir de 6 mois, il faut respecter des étapes. La première étape d'abord, c'est le temps d'abord. L'âge, il faut que l'enfant atteigne 6 mois avant de commencer à donner autre produit. C'est des 0 à 6 mois, uniquement le lait maternel. Maintenant, de 6 mois, on peut commencer par d'autres produits, comme euh, la bouillie, hein, les légumes, les fruits, les œufs, voilà. Et mais c'est empuré au début, voilà, et par gradation, étape. On commence par 2 à 3 cuillères, 2 à 3 fois, tout en maintenant l'allaitement maternel du fait que l'enfant grandit rapidement, l'enfant double son poids à 5 mois, il triple son poids à 1 an, donc le lait ne peut plus lui suffire, l'abdomen commence à être mature, donc il a besoin d'autres aliments que le lait maternel. Donc il faut obligatoirement donner. Et cette diversification-là, elle est tellement importante, vu que ça permet de réduire le taux de mortalité et de morbidité, ça permet encore de prévenir la malnutrition, parce qu'un enfant qui a 6 mois, qui continue à être, à arrêté uniquement au lait maternel, les besoins ne sont pas couverts. Le cerveau sera privé de ce qu'il a besoin d'un nutriment pour fonctionner normalement. Et il y aura beaucoup de conséquences qui peuvent arriver chez l'enfant. Donc un trouble, de, un, retard de croissance. Et même à l'âge adulte, il peut y avoir des complications qui, vont, qui sont consécutives à ces retards dans la diversification. Est-ce que dans cette diversification, il y a des aliments qu'il faut éviter de donner à l'enfant Voilà, maintenant de la diversification, ce qui est conseillé, c'est de commencer par les produits qui sont locaux. Locaux, voilà, qui, et qui sont abordables, disponibles et vraiment accessibles à la population en amenant vraiment un tas de produits qu'on peut avoir de façon locale et moins chère et que tout le monde peut essayer de faire à sa, manière. Voilà. Il y a une, il y a ancienne idée, un, ancien concept de ne pas donner il y a des produits qui sont allergisants, qui entraînent une allergie, comme les œufs, le poisson, le lait. Avant, on disait de ne pas introduire ça vers le sixième mois, mais maintenant, ce n'est plus. C'est évolué maintenant, ils sont très importants. Il n'y a pas un aliment qu'il faut retarder son, son, introduction. Dès six mois, c'est petit à petit, par étape, les œufs, le poisson, les lait, les tout ça peut être introduit en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, euh, c'est important de ne pas se tourner vers les produits transformés dans des boîtes et préparer nous-mêmes euh, les aliments que l'enfant mange, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est ce qui est important, c'est de commencer par euh, et les produits locaux. Et même dans ce sens, le ministère de la Santé publique, à travers sa direction de nutrition, ont élaboré même un document sur les recettes culinaires. Comment préparer les recettes en fonction de nos produits locaux. Et vraiment, en France, c'est très simple et pratique avec même des images qui sont euh, vraiment très explicites. Mm. Donc, on commence par les produits locaux. Voilà. Et avec ces produits-là, on a la chance de donner à l'enfant ce qui est conseillé et ce qui n'est pas conseils pratiques pour réussir le sevrage de l'enfance, c'est avec docteur Ousmane Mahamal Laminou. Il est pédiatre au Centre de santé mère et enfant de Maradi. Avant d'attaquer la seconde partie de notre entretien, Mariam, un autre tour en musique avec Rabé et Benji qui nous chante Kelen Soyeya. Si sur ce tu viens, tu bouges ton corps. Phénoménal, NC, radical, Benji, toi-même tu sais, c'est de la bombe, ben sur ce tu viens, tu bouges ton corps. Oh, Kawara Hanawa, Idan Hanawa, Nazam Wataram Baka Hanawa. Ma cœur fait boum boum boum, Béa, oh les diguerres, mon amour, Maïlova. Dans cette vie d'amour, soleil, je pense à toi, ma chérie, Maïlova. Oh, yo, je n'ai gagné, Ina, Inajin, Dadi. wata sallah dan tsananin daɗi na yi waka wannan waka yan soyayya mun bai bum bum bum ya ole digger mon amour my lover wasa ba faɗa bane ba kai yaro ya zagi babba duniya taɓawa ka san wani ne ba zai taɓa سفاري ون بلس سيكي بقى الزمان قال لك سنتير قبل كده دبل ملاذ قبل kirkatis yarinya mai kyau ka gani kana so an sai ba a baka wata ran za a baka ke da musu kurmi za su baka yadda ke da musu kurmi ko sun yi da kai ke da musu kurmi ko za su baka yadda wata ran za su baka yadda ba su baka wata ran za su baka yarinya mai kyau ka gani kana so an sai ba su baka ke da musu kurmi wata ran za su baka ke da musu kurmi ko sun yi da kai ka gani ke da musu kurmi ko sun baka yadda mon cœur fait boum boum boum cette vie d'amour je pense à toi ma chérie my lover na pas je waka mon boum bum bum bum oh ole mon amour my Qu'est-ce que tu vois alors enfants comme aujourd'hui Voilà tu moi c'est pas grave de ta gueule C'est tout un Il y Y'a des cabos cabos c'est trop les chercher Ah oui Soya, c'est bien le titre que vous venez d'écouter, un titre de Rabé Oziri Megulmi et du rappeur Benji. Les deux sont originaires de la région des Anders, un featuring qui a bien cartonné a fait bouger la jeunesse nigérienne. Rabé est très connu dans tous les quartiers des Anders auditeurs et auditrices, j'espère que vous, euh, vous passez de bons moments à travers cette émission. Nous profitons de cette mélodie pour faire un coucou à tous ceux qui nous écoutent du côté de Damagara. Après cette pause musicale, continuons avec notre entretien, Mariam. Et eh oui, Rabi, de la deuxième partie de notre entretien du jour, euh, Dr Ousmane Mohamed Laminou, pédiatre au Centre de santé mère et enfants de Maradi, rappelle les gestes à éviter, les précautions à prendre pour réussir le sevrage l'enfant, lui, il a un autre, un autre type d'alimentation, ce qu'on appelle alimentation active. Un nourrisson qui a 6 mois, 7 mois ne peut pas manger comme un enfant qui a 5 ans, 6 ans. On peut pas, donc il faut qu'il soit dans un dans un environnement qui est vraiment d'amour et d'affection. L'enfant doit être vraiment à l'aise. Voilà, on ne doit pas surtout forcer un enfant à manger. Il doit manger avec plaisir. Si on lui donne, il refuse, il faut essayer plusieurs fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que l'enfant réussisse. Donc, on ne doit jamais forcer un enfant à manger. Il doit être dans un endroit calme et commencer petit à petit. Voilà. C'est ce qui est conseillé pour pour réussir le sevrage. Voilà, ce que je voulais savoir, s'il y a des observations à faire. Est-ce que des, des, changements ou des, des vomissements ou euh, après euh, l'introduction de certains aliments, est-ce qu'on doit faire attention à, à quelque chose sur euh, l'enfant Des enfants qui réagissent par ce qu'on appelle le colique, le douleur abdominale, parfois les fesses qui sont rouges, parfois vous avez des, certaines constipations, parfois certains vomissements. Mais ça, il faut s'assurer d'abord que les étapes ont été respectées. Parfois, l'hygiène, il manque. L'hygiène n'y est pas là. Voilà. il y a des produits qui sont allergisants, d'où l'importance d'introduire par étapes. Maintenant, si vous introduisez au début euh, du poisson, voilà, si l'enfant réagit, vous saurez que vraiment c'est le poisson qui a Si c'est le jeu, vous saurez. Donc c'est pour ça qu'il faut introduire vraiment par étapes et graduellement et ces signes-là, assurez-vous, on s'assure d'abord que ce n'est pas dû à notre hygiène, parce que l'hygiène est vraiment importante. Pour euh, mieux donner à l'enfant quelque chose, il faut l'hygiène qui soit là. Donc, et malheureusement, ce qu'on constate de notre temps, la plupart est à l'utilisation des biberons. Vous voyez, les biberons, déjà, dès que vous utilisez des biberons, ce serait très difficile d'abord de les laver. Vous voyez comment il est. Et c'est une des grandes causes de diarrhée, chez les enfants, parce que il y a l'hygiène qui manque. Donc, mais on conseille maintenant aux mères d'utiliser les bocaux. Il y a des tasses et des cuillères qui peuvent être disponibles en tout, en genre, en plastique, en, aluminium qui sont disponibles. Et c'est facilement, on peut les laver et les conserver tranquillement. Est-ce qu'il y a des signes ou des observations sur l'enfant qui nous montrent qu'on est en train de bien réussir le sevrage Oui, effectivement, parce qu'un enfant qui est bien, qui a réussi son, son diversification, vous allez voir, il progresse rapidement. Comme je vous l'ai dit, donc un enfant, normalement un enfant doit tripler son poids à un an. Hein? Il doit tripler son poids à un an. Donc on voit ça. Et l'enfant doit, son développement psychomoteur doit être vraiment à la hauteur des, attentes. Donc il doit commencer à... Il y, a la marche, la marche à quatre pattes, il y a la station assise, il y a l'appréhension, tout ce que vous connaissez comme signe. Donc on va voir, l'enfant doit avoir ça. Hein? Et vous allez voir, il y aura moins de diarrhée, il y aura moins de complications si la, comment s'appelle là, si l'alimentation est réussie. Mhm. Parce qu'une une alimentation équilibrée apporte tout ce que l'enfant a besoin pour son développement psychomoteur. Et ça évite les maladies. Est-ce une étape qui doit nous conduire à une bonne euh, ablactation Oui, en fait, oui, l'ablactation, c'est l'arrêt complet de l'allaitement maternel. Et un enfant qui, qui a reçu sa diversification, il en va de soi que vraiment, euh, facilement, on peut le arrêter qui est prévu, c'est de deux ans à plus. Voilà, au moins c'est jusqu'à deux ans. Commencer à diversifier de six mois et jusqu'à deux ans ou même plus, ce n'est pas, pas un problème. Mais pour euh, arrêter arrêter l'élève matin, il faut être méthodique, il faut être patiente, il ne faut pas arrêter brutalement. Voilà, le fait de contacter une autre grossesse, comme on voit dans notre contexte, ce n'est pas une raison pour arrêter brutalement. Et l'enfant n'a aucune conséquence sur le fait qu'il est en train. L'élève n'a aucun problème, même si la femme est enceinte, donc elle peut continuer à allaiter jusqu'à ce que l'enfant lui-même il sera obligé d'arrêter parce qu'il ne court plus ses besoins. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Abia Mikano et Mariam Adé. Passons à notre rubrique environnement et dans la rubrique d'aujourd'hui, on va parler des conséquences du changement climatique qui sont réelles et visibles sur notre agriculture, ce qui conduit à des risques d'insécurité alimentaire. Le département des Mayaï, qui est une zone agro-pastorale, n'est pas à l'abri des conséquences du changement climatique sur l'agriculture du département. Issoufou Chebou à Mayaï nous en parle dans son reportage. On l'écoute. A wannan karni da muke ciki, na cin karo da sauye-sauye Wa'annan sauye-sauye sun kawo taɓarɓarewar abubuwa da suka jibanci noma, kiwo da gandun daji. Wa'annan abubuwa ne suka kawo canjin yanayi. Kwamandan Ila Ango shine shugaban ma'aikatar jihar Mai mai kula da gandun daji. Abubuwan hawa namu wanda sun yawa yanzu akwai kamar mashin-mashin akwai wasu sinadarai wanda idan suna aiki wani tururi wanda suke saki cikin sararin samaniya shi wannan tururin shi ke da illa kuma shi ne Eh, ke makadusin duk wani canji da aka gani cikin abubuwa ga wanda muka saba irin na da ga wani canji sabo ya shigo. Wannan canjin yanayi ya shahi noma, kiwo da sauransu. Abinda yanzu sakamakon noma da manoma ke jira bayan biyan bukatar jama'a. abinda ke jefa jama'a a cikin yanayi na karamcin abinci. Wannan tiriri wataka illa dai ta tawarin wanda kowa yana jin shiga jikin shi shine irin wannan zahi wanda ba a saba jin shi ba da yanzu kowa ya sani kamar lokacin da ake zahi akwai muna lokacin zahi muna lokacin sanyi muna lokacin damana to ko da wani lokaci akwai zahi wanda muka saba da shi amma yanzu 'yan shekarun ga mun ga zahi ya haɓaka da da Manoma a duk inda suke suna lura da irin matsalolin da noma ke fuskanta wa'anda ke da dalili da canjin yanayi malam usman lawali yana ɗaya daga cikin manoma a nan jihar mai kuma ya gano abubuwa da dama da canjin yanayi ya kawo a ɓangaren noma. Za ka ga damana ta taho rab sai an taho inda cimaka za ta nana da kyau ɗari bisa ɗari sai ruwa su ɗauke. Kadiba zahi shekara nu shekaru da shekaru ba mu taɓa yin zahi ba irin wannan shekaru. Iska in ya taso ba mu taɓa ganin iska kamar na wannan shekarun ba. Ruwan sama kana ganin aka zo aka yi su kamar za su canye wurare. Duk ba komi ba ne ko illoli ne na canjin yanayi kana ga ana ruwa yan hadari ya taso dabbobin da ma ke mutuwa yanzu ka diba ruwan nan da muka yi ka haci dabbobin da suka mutu nan garin sun yi hamsin. don rage raɗaɗin canjin yanayi ga noma akwai matakai da ake ɗauka kamar na amfani da iri mai gaggawa da sabbin husa'o'in noma malam magashi ma'aikaci ne a ma'aikatar gidan gona ta mai mahita in ji shi ita ce tattalin muhalli da amfani da shawarin masana a bangaren noma noma ya tashi da yadda suka saba dawa zamanin nan guri ne kaka ya noma uba ya noma kai ka zo kana nomawa kuma komai baka kai kana karkashin inuwa zamne ya za a samu abin kirki bai yiwa shine muke jan hankalin mutane tunda mu surtu gidan gona iri wannan ran ta yi bakin yin lalle illolin canjin yanayi a zahiri suke kuma suna mai da hannun agogo baya ga wadatar jama'a inda suke saka mazauna karkara a cikin kangin talauci rungumar halaye na inganta yanayi sun zama wajibi ga gwamnati da al'umma da da C'était la rubrique environnement sur les impacts du changement climatique sur l'agriculture, notamment à Mayaï. C'était avec Issoufou Cheibou. Mariam Chers auditeurs, notre tour en musique avec Babangoro, composé par Abdurrahman Garbadi qui est un artiste, auteur et compositeur nigérien des Andes. sur l'émission Le Niger sur Kalangu Mariam. Eh oui, Bibi Abdou Tambolio a traversé les temps avec ses belles mélodies selon les informations recueillies sur sa personne. Il a commencé la musique au collège avec certains de ses amis. Il dirige le groupe Jagaraya Band de Zender et compte à son actif trois albums. On espère que vous avez kiffé euh, cette mélodie, Mariam. Cap à présent sur pour notre reportage régional. Selon l'agent Salif Amadou, chef du sein de la 12e compagnie d'incendie et de secours de Terra, plus de 180 maisons sont tombées et 10 162 personnes sinistrées suite à la pluie du 7 août 2024 à Terra. Pour en savoir plus, écoutons l'agent chef Salif Amadou au micro de Moussa Bokarikanda. Suite à la forte pluie tombée le 7-8-2024 dans la ville de Tira, dans la hauteur de pluie est de 112 mm. Cette pluie a occasionné beaucoup de dégâts dans la ville. La situation est la suivante. Nombre de ménages 182. Nombre de personnes sinistrées 1162. Nombre de maisons effondrées 110. Nombre de murs tombés 66. Douches endommagées 3. Nombre de hangars tombés 2. Nombre de champs inondés 21. Soit 445,6 mm de pluie ont été enregistrés en 14 jours. C'est ce qu'a affirmé le directeur du service météo de Terra, M. Inoussa Maïdakaoulé. La situation pluviométrique de Terra pour la campagne agricole 2024-2025 se présente comme suit. On a eu à enregistrer 445,6 mm en 14 jours de pluie cette année est excédentaire par rapport à l'année passée. D'habitude, on arrive à avoir la pluie jusqu'en fin septembre et cette année, Inch'Allah, on aura un surplus par rapport à l'année passée. Un exemple, si la pluie s'est arrêtée le 20 septembre, on prévoit avoir la pluie jusqu'en début octobre. Madame Sajibay, une femme ménagère vivant au quartier résidence de Ferra explique comment les eaux de la pluie ont endommagé sa maison. Au début, les eaux ont endommagé un côté de la maison avant de faire tomber tout le mur latéral. Même pour aller chez nos voisins, il faut traverser une mare d'eau stagnante. Eux-mêmes ont enregistré des dégâts. Présentement, la chambre d'une de nos voisines est remplie d'eau. Ils ont utilisé jusqu'à deux motopompes pour évacuer l'eau mais il n'y a nulle part où reverser l'eau pour qu'elle ne revienne pas. C'est l'ONG Médecins sans frontières qui a appuyé les populations du quartier avec ses motopompes. Certains ont dû remplir des sacs de sable pour barrer les portes de leur maison et permettre aux gens de passer. Pour éviter tout risque en cette saison de pluie, le service de la protection civile du département de Terra invite la population à être plus vigilante, surtout pendant cette période hivernale. Ce reportage nous donne les échos de l'impact de la pluviométrie, notamment dans la ville de Terra. Comme un peu partout dans les huit régions du Niger ces derniers temps, la ville de terrain a enregistré une grande quantité de pluie, ce qui présage une bonne campagne agricole. Cependant, ces fortes pluies ont provoqué des dégâts énormes dans la ville. Plusieurs familles ont été impactées, comme on l'a entendu dans ce reportage, avec des centaines de personnes sinistrées et d'importants dégâts matériels. C'était le reportage de Moussa Boukari Kandar, rendu studio par Moussa Hassan. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport sur l'émission L'univers sur et Nous sommes avec Asumi Grouza. Bonjour Grouza. Euh, bonjour Abu. Euh, bonjour euh, Myriam. Bonjour Alors, Grouza. Grouza, fin du TGV de Nyalga le week-end dernier. Oui, c'était un tournoi qui a regroupé plusieurs équipes de Niamey. La finale a opposé la gendarmerie et l'AS Nyalga. Score final, un but à zéro en faveur de la gendarmerie. Ce tournoi, il faut le rappeler, a été organisé par un ancien footballeur de l'AS Nigelec. Nous nous sommes entretenus avec lui. Son nom est Abdelrazak Isaka Bahouché, promoteur du TGV de Nyalga. ba a samu wani rigima ba mutane sun zo manya sun zo kowa da kowa sun zo dai ina da aka yi gendarmerie da ayat ga da mai sun cinyar ga yan jego. wata guda ne aka ɗoka lidikito aka yi shi kina samdi. Mun samu kamar ekip eh, nawa mun samu ekipa goma sha takwas muka samu. Eh, duka ɗayan haro banda ne? No, no, no, akwai ɗayan haro banda akwai ɗayan yamai. Tunda ni turnuwa na da nake ba haro banda kaɗai nake ma turnuwa ba. Turnuwa ya kai shekara nawa? Wa yanzu muna cikin katirame edison muke, kenan shekara hudu. Ah. ni an ce jo ne na yi shi Nijelek. To ina son balo Allah sa da to rishin lahiya kama ni shekara uku na rishin lahiya ina kwance. A cikin rishin lahiyar na wanda na samu ide na ce to tun ina son balo tun da nan da Allah ya tsaida ni. Tun da nan Allah ya tsaida ni to bai umma yara organizan turnuwa kom tunuwa sa bahaushe inda kai mai edison ma ne tunuwan da beki ma in ban ma iya tafiya da biki ma nake hmm. tafiya inda fi billahi balo kaman na ɗauke shi ma aiki ne to ka san da Allah a yi aje ka kawai nan dai ka tsaya ni ko ga ban iya barin balo haka nan ke in yi idan yara don shi sa dai na yi premier edison ya yi lahiya deuxième edison haka nan troisième edison ma gashi yanzu na mai edison kuma ina gode ma mutanen da suke tallafa mini sosai idan ne inda balo ina son shi sosai ne to bari kuma ka yi shihu kullum ina yi shi in ka ga na wasa kawai Allah dai ya amshi raina in Allah su da amma balo ni ban yi barin balo ma hmm. insha Allah wani kira ne eh, za ka ma ah, mutane wanda kamar ku kun bar balo ku kawo tallafin ku wallahi ni kira da nake ma manyan manyan mu wanda suke son balo muna so fisibila muna so a taimaka ma mu mu taimaka ma yara tunda fisibila akwai yara wanda suke da abinu sosai cikin balo ba hawo banda kwai ko ina tunda fisibila ispo ne da duk wanda sai ya san da yanzu cikin lokacin da muke balo wani abu ne tunda balo yana iya rike ma kamar aiki ma ne in Allah sa ka a cikin shi mhm. ina ce ma manyan mu muna kokon su da Allah su zo su tallafa ma yan na hago bandar da nan ya mai duka da ake tunuwa tunda fisbillahi mu balo ba mu iya barin balo tunda muna son balo ne sosai wallahi ai haro bandar suna son balo ai haro bandar sosai sosai sosai na so da wanda kowa sun zo kallon filan sun gan da taron yi cika sosai har banda sosai ma ba ma ka ta har suna san balo tunda balo tunda yanzu kalmaki kan suna san balo ma fada fada ba su ma yin fada lokacin tare ya kawai suna tera Mine ne ka gani kasan muna cikin hutu ko ina ko ina na uh, wannan TGV. Mi ka ga amfanin TGV? A wala TGV akwai amfanin shi da yawa tunda ana tjb kamar a kowanne ba su da aikin yi daga lokacin tjb ya tsayi yara kana ga suna zuwa tegan kuma yara kan da lokacin tjb ya ka gani duka suna zuwa kallon balo faga yana ragewa kamar yana in kana kallon balo ma kana in kana da wani matsala ma matsalan nan duka yana ta yawa wanda kana kallon balo mm-hmm. da balo in kana da susi kamar example ni ina da susi yadda na je kallon balo susi na idawa ya kare wallahi hmm. ni dai ina kallon balo kenan ya kamata a eh, minister da fenifood da kowa su tallafa ma eh, yara wanda za su yi ta wallahi shi dai nake wata tun da fisibillahi fenifood da manya kai ba ma fenifood ba duk mai son hakan balo duk manyan da yake son hakan balo muna so a tallafa ma yara su samu su evole cikin balo kamar a samu yaro da yawa da international ka gane suna juya kasashen turai TGV mhm. Voilà, c'était là Abdourazak Keissa Baouché, promoteur du TGV de Nyalga. Grouza, l'Union sportive de la gendarmerie a rénové son bureau. Euh, oui, euh, Mariam, c'est au cours d'une assemblée générale que le colonel Cheikh Omar Diakité a été réélu à la tête de lui. SGN pour un nouveau mandat. Juste après son élection, le président réélu de l'Union sportive de la gendarmerie a souligné qu'il va mettre en place une politique de redynamisation euh, du sport euh, basée sur le recrutement des jeunes, mettre une équipe féminine de foot conformant à la politique de la CAF et de la FIFA. Voilà pour le sport. Merci bien, Kouza. À bientôt, chers auditeurs. Place à la rubrique portrait. De la rubrique à portrait de séjour, nous vous proposons le portrait de Rakia Boubé, une jeune femme âgée de 22 ans. Elle est responsable de l'association Adrieso, un portrait réalisé par Olivier Assaubavi. Ce soir, c'est dans le cabinet d'audit comptable qu'elle travaille que Rakia Boubé nous reçoit voile noir, dans un complet de panne couleur verte. C'est avec joie et dans la bonne humeur que la vice-présidente de l'association, Arda Yesso, nous explique les raisons de son engagement dans la vie associative. depuis petite, en fait, c'est vrai que là, actuellement, je fais la comptabilité et l'audit, mais je voulais faire médecine parce que je voulais aider les gens. Donc, euh, j'ai grandi avec cette vocation-là. Et je me suis dit que c'est quelque chose de noble, c'est une noble cause qu'il faut se battre pour ça, il faut aider les autres. Donc c'est ce qui m'avait motivé, j'avais l'intention de créer un truc. moi je pense à une ONG, mes collaborateurs, pour la plupart nous avons fait le lycée ensemble au Mariama. Et donc on a grandi dans un même cadre où des fois on cause de ce genre de choses depuis le lycée. Que pense Raki Boubé du thème de cette année, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde je pense que le leadership féminin est vraiment encouragé et surtout ici au Niger, nous n'avons pas beaucoup de, jeunes filles en fait qui sont impliquées dans ces causes. Peut-être qu'elles ont peur parce que nous-mêmes en créant l'association, on a eu des gens qui nous ont dit vous perdez votre temps parce que pour la plupart nous étions que des filles dans l'association parce que je le disais tantôt il y a un seul garçon. Nous sommes neuf et nous sommes donc huit filles et un garçon dans l'association et on nous disait mais que des filles qu'est-ce que vous voulez faire Il y aura personne pour, s'occuper de vous. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir de, des fonds vous pensez qu'on va vous aider. On a eu vraiment des retours négatifs et des gens qui ne croyaient pas en nous. Parce que quand on a lancé l'association, la première cagnotte qu'on voulait lancer, ça a été une catastrophe si on veut parce que les gens disaient que c'était une arnaque. Nous ne pouvons pas terminer le portrait de cet exemple de leadership sans chercher à savoir ce que les jeunes dames ont envie de savoir sur l'engagement féminin. C'est pas facile de gérer une association. Je vais pas vous mentir, vous dire que la vie est rose, la vie n'est pas rose. Il y a des moments où c'est très gris, où on a des idées, on essaie de mettre les choses en place. Le plus grand hic déjà, c'est parce que nous ne sommes pas tous ensemble, donc tout se fait sur WhatsApp. On essaye de coordonner avec les horaires qui ne sont pas les mêmes, c'est très compliqué. Donc il arrive que moi j'ai plus de responsabilité que les autres parce que c'est moi qui suis sur place. On me contacte directement parce que j'ai le numéro de l'association. On me pose des problèmes. Moi, j'essaye de toucher les autres. C'est pas tout le temps que j'arrive à avoir un feedback. Donc, je suis obligée de prendre les décisions moi-même. Et c'est compliqué. Mais c'est quelque chose qu'on a décidé de faire. On ne nous l'a pas imposé c'est volontaire. Et quand c'est volontaire que tu te décides à faire une chose, je pense que tu l'as fait bien. Rakia et son association comptent lancer plusieurs activités, parmi lesquelles une campagne digitale dénommée l'activisme social et une cagnotte pour porter assistance aux femmes démunies. Merci Olivia Sogbavi pour ce portrait. dernier tour en musique avec l'artiste Rayman qui nous chante Waye. Yeah, all alongside Ness Super Naga. Original I'm alongside Ness. One bless, one dread, one test, one blessing. Ana mazasuna muni mata. Eh, huh? Nessa, Nessa no barma, Nessa, ah. Nessa no barma, Nessa ah. no barma, Nessa no barma, Nessa. Ah. Yeah. Kawasugaye, Gaye, Paya Garasuna Laye, Daye. Indanajaaye Nijerabzaya za mamaraye Inarapaya kare Harmawa ansu na tema ni maye Isa pojom na haye Sai iya waka se zave ya waye eh. eh. Yare ya sauye Kada kanun kusi juye Kenan da lafiya jikin ka ka dahe Ka taimasa hidan yaye Waka mai sa mazaje suna shaye Lahi gare ni kenan ku shaye Ko shingine ni shi sa shi hawaye Komi gare ka zo na yi ka zo Ba mai ceton karanka ni ka so Zama jikin ka Miza a fani gaza kunnuwanku su kana fasa kana girman kai kun ga kaɗan kai kana nunan kai wai babu kaman kai to yaya an kai yau gashi mun tai bari wannan zancen dan wannan shi ya tai ya tai ka yi zato fenome ba za ya zo ka ji ni ka sani ka sana ina na hito kama jiya ina zaka na zaka waza ya yi magana kama jiya ina zaka na zaka waza ya yi magana waye ga tanka faɗa mai tanka, tanka, tanka, waye bayanka Pada amani wake na banka Doki mastakika kila da kanka Ana kila na nashata na waka Sana nuna maiba za tafika Sakashi, sakashi, kashi ga shaka Nonsense Dede da Putin, Putin Libani karo kalashnikov Nikov Balai hip hop, hip hop Nake lodi kama pick Kazo kashi waka, wada Wakamata kata shinto, shinto ah. Tanaka hip hop, guy Para acabar da trito, kupapasa waka da wanda ga hwama da sarka wanda ga sata da wanda dare shi ga saka garinga na biga yu na da baibiye dun na tabo suna lauliye ai wasu sun rasa kobiye kai ma wai wa wasu sun rasa kobiye kashe bara na she gidan hutu na sero ka burukutu ah. dina halba puta gudu gudu cikin na rasa na ka hudu hudu mai magana nike bayangada, bayarua bayan ruwa nake na da kada ai gayun na rige na gana, meimagana nikibayangana kayiza zogo fenome baza ya zo kajini kasani kasanda inana hito kama njia kanaza kawaza ya yayimagana kama njia kanaza kawaza ya yayimagana wayegatanka padamani wayegatanka tanka tanka Bada wayebayanka padamani wakegabanka okay. hakika kila dakika anakira anaonyesha anawaka sana nuna maiba tatapika sakazi sakazi kashika shaka nase wayega tanka padamani wayega tanka tanka tanka wayeba yanka padamani wakeda banka wayega tanka padamani wayega tanka tanka tanka wayeba yanka padamani wakeda banka nesa na balma nesa nesa na balma nesa La puissance de la voix, la puissance des flots, voyez un titre que nous euh, dédions à tous les amoureux du pur hip-hop. Justement, bébé, c'est Ayman qui annonce la rubrique Lotti offerte par l'équipe femme du studio Kalango. Lotti, <laughs> gote newo kan jamani charmorgo to hey grave na gi man dabo ka ka ka ka da gidi ka ami ka lamba yan te da gidi gobu dai sama su koy gudu ira <laughs> ka newo ka dai ni ai ma sabai ga haru ifo no gogin humbugan di yakinu ni lakkalai kanandi ai mai lakkalai kanandi ni nun sigri te koy kan borayo goga te non kulkin bisa addan da gobu yan gisi godi ga non gai kairi addan da gobu yan ni goga lakkal zagai ni mu dama ni wo humbur komnu hey ame stugun se ai bai mu ke zongu humbur komu nga biste goru mo ai di igu gati kadi ga nongu yan keri nongu yan bugu ga non kai wa hasara a man teme a ai wai si ga faham fahman dai si ai mun faham si ga faham eh ni si ga dite go ki go ga teno dan je kan ga bore bisandi imi bugu Hmm? di ga pine yan ton fondara eh sabai kan wadi moga guduran ai hasar no ah wani ga ti janga bon dumiyam mai gai fonda iga o me di wala labis bistare tabbatan diyan mantikala bor mo da chit fonde kan i gorandi kwara kara bor goga bafone ir mu famga bay mo kan hasaro ki gogte asto diran bani reporto moyoga to dai fo se ni gogati to ai fama rawo kai labistare janga beran da yannu da jama ginai janga gaksine da janga waniyan bafunai jamara hey amana ban si kan igogici agir lakkalai kendi Tinai kan go irgin da bandai bon Sanga kan ga borai bisandi ki goga bagu fonda nya berai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimgi jukkemi ifo kiti fonda sin wadin ma gano ai wai ban yara niger labu kiti tira kansa igine code penal giri zambar hinkan din hinza a wani izibu zongu hinza da wa hakku kin ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan igorandi labi zai maga hasara aniya kwaraira handu hinka ga kwai jiruwai kasuno a ya din muno iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gidi ai mat shus kwar gwa tirfa amma singa furna sai sanikin dora bai dai ki ko bora sai led biora haru wai wai wai wane kulu kwai ni gogati a aghinga ta isi bai ki fonda gano iga baiwo isi baiwo ai bai dai kan burkul ki du bora ka ga mata ngo korora ka dai ga jirmir lambayan te go kwa gidi nan nan kirgu tugu ga bisa dai bi ba niske ci gisalan yi se nin kan faham kaina ha ifala ta nse yan gan ba ayi ni bai kirgo ga chargana yan gan ba kalai hinge zai wo imi dorai se <laughs> ai mu koi gisalan yi se ni sigi di mata kan eh, yi goda ba ni mu ne mu ai koma to ani ka dai mir labbayan te musu musu go koi nan go koi ga fatta gama <laughs> Merci bien les filles, chers auditeurs. L'émission Le Niger sur Kalango, c'est aussi de la culture linguistique, un voyage à travers les mots et expressions. Et ça sera avec Alassane Abdou aujourd'hui qui nous édifiera sur l'expression saison pluvieuse. Bonjour Alassane. Bonjour Rabi, bonjour Mariam Adé. Aujourd'hui nous allons parler des mots euh, que nous utilisons pratiquement dans toutes les langues, que tu parles Hausa ou Zarma ou Tamashek ou Fulfulde, quelle que soit la langue. Vous allez voir, les gens vont utiliser le mot saison pluvieuse et continuer dans leur langue locale. C'est quoi la saison pluvieuse Donc, c'est ce mot-là que nous allons tenter d'expliquer à nos auditeurs et auditrices en langue zarma. matakan da nake da son warse eh, zirko kila sab kidi ba fakare ra zama hunkuna bankter se dona irme arfera da boregi fakare ra da zaram sanino da haus sanino da fulan sanino da bare bar sanino da guman sanino larab sanino wato anasar sanni ziyan gono kan irgidan kudu kirfa karate anasar sanni zo kan burgatar tarka ma dai mantikal hunkuna wakasi na anasar ga saison pluvieuse faute saison pluvieuse ni ma bora gina hara saison pluvieuse o kaldir ko mir fabara saison pluvieuse o man manna yakin da yakine saison pluvieuse o kakin da kin amma a saison pluvieuse o cin gici nora a saki kalan sarki ga saison pluvieuse da ti kai diya kaidiya gisigini saison pluvieuse haran kaidiya kaidiya yakine kaidiya yakin kaidiya yakine saison pluvieuse wo anasar sandiga gani gine saison pluvieuse irin mo sina se kal kaidiya kaidiya mo burkundo ga baikan kaidika har bobu no ga bande farha yan ga bande bin hasaro ga bande kani ga bande Jank ma kani yan ga bande zamdir ko kuma yutar gun girbe kulu kaydiya akatirga hari wato kudu gingar din dhubura jingardiingar kal irkom kaydiatirse kaydi buriyante irkom kaydiatirse kaydi albarkante irkom irno hari albarkante amma hunkuna haro kan sintinga ba nan kan gana kulza bena hir bura sinakal he irdi boni aga ba ka wasu wasan wat kuyi bura yamari minai se burum sine haro mu kai amma nigina am koi nan ki gonda bonanum kaydiya dine kaydi ine binasaro zama da haro ba aga fonda pati hunkuna dir sambu kan gutun a ga dazu kwar kan gati eh, zander no ya wan wan a adar bisna ta mara dir sambu har gati ki rozeri na hare dir sambu walam kan bodo hare niger gergera men da merra hunkuna kai dia haro ka tirga sandai zamanu dai pati gore kan dare bangai wani mun ga sarkin galkason changement climatique ko wata kan sa haro batu wata kan distan mahala ga ka wata kan distan mahala ga ce wata dingana ka ka bangai wata kan go batu wata gana tufa mu aska to haran kai diya de bore de dara matkan bore kan na bayre gu sai wai tani da ine kan kai no kan raharo ba yan ga wani san busa aga irin dirmir bom batu irmir mirbon batu mace irin irma gore gorira irin sina irga gor ke kine goro wo haro ginka mo genka haro gubi bisini misina gina almanai dan gore gorira ka bisa harogo dai misine mu halka so aiki na rawa goro ka ga zamanin hansiyanti dindi alhalisi mafatta dindi mo no boto guwo sun tinkini chatu mafatta ra musu batu kala frage mu. har wani yin wa kulu irga kan har yanno kan ga hinka tirga sandayyan wace, wati wone sabusino wat kulgin bore igo gisla ngirse gota yir musuma talzi bai dangira gotai, gota dabu haro su bisa irwin ya da nagiye yadi monun kun zar ngadir ko kuma dar guna kurai bo biyara bore garwin bu boni ko kina ka haro fonda bare akata sandai a hurwin daira an misibo buti wone sabu soynodirgata dine saison pluvieuse kaydi watanoya burkul kandumno ni himkini sola ni himkini bon sokon kudu ko bedo baren kan ngita zama hunkuna isa harogo ge yek bare nango kolobata mara faray bu bodara bukusu be matkan gite woni ti famando kir sar kan ngati sanizo kan borgama borakul gici kasigine saison pluvieuse saison pluvieuse kaydiano amanano ya to ala sanabdu irsabu irsabu merci bien c'est super d'avoir un retour sur nos productions. Nos auditeurs ont réagi. On les écoute. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana dai malam mai jimami gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu suna gayatar da mu sosai kullum muna bisa saurara wallahi muna tare da su kullum to muna jin shirin mu je fada shirye-shiryen da ake yi na kowane region ana tuttura ana tambayan labarun wasu garuruwa tarihi na da wanda ba mu sani ba duk an sanar da mu muna sane da su insha Allah muna jin daɗin su sunana abokar daudi club revolution garin mai nasara to gaskiya a shirye-shiryen studio kalangu da ake watsa a nan radio mangari fm na garin mai ne gaskiya muna jin daɗin shi don saboda yana wayar mana da kai kuma gashi yana eh, magana a fanni kiwon lafiya al'adu da harkan wani gandun daji abu dai harkan ilimi duk abubuwan da ya shige mana da muna ji a cikin studio kalangu Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ni ba bawa ba ya ji jilalu wali kirami ya ji jilalu wali kirami komai kake ka an baci Allah saura abun ka bai ya ɓaci in ji rasulullah Allah ba ya sa musulmi kumya musulmi kumya ni ba ni ye abota da wawa ni ba ni ye abota da kazami ni ba ni ye abota da rago rago yana hana ka kazance in ji malum bale rago yana hana ka kazance in ji malum bale ga wata ta ma wata gori ba ta da kiran mata kwami ta ba zai faɗi kwami ta ba zai faɗi dan ba kore ne ba Avec euh, ce clin d'œil pour nos auditeurs qui nous écoutent euh, Pipitawa Ici prend fin notre émission de ce mardi 14 août 2024. Vous étiez en compagnie de moi-même Rabia Mekano et Maria Madé. Ce fut un plaisir de partager cet instant avec vous, chers auditeurs. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, on s'est dit à 17h pour notre programme de désert qui débutera avec l'édition en français. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. bye. bye.